le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou studio Kalangou, il est 18h15, minutes. c'est l'heure du forum Mon micro Hamado Moumani, Bonsoir à tous. Studio Kalangou, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Vous pouvez aussi nous suivre dans les localités d'Arlit, Filengue, Gauré, Tirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Les titres de ce forum, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur en grève à partir de demain. Toutes les activités académiques sont suspendues dans les universités publiques du Niger. Une façon d'exiger du gouvernement le paiement immédiat de tous les arriérés de salaire et primes de recherche. Sur cette situation et bien d'autres problèmes du monde universitaire nigérien, vous aurez d'amples explications avec le secrétaire général du SNEX, Bakassou Sahabi. Le paiement des arriérés des salaires était également un des points débattus au cours de l'Assemblée générale de ce matin de trois syndicats de la ville de Niamey. Ces syndicats ont aussi parlé du projet de rétrocession de la maison des jeunes Diado Seikou au ministère de la Renaissance culturelle. Vous aurez des détails. Les 15e Jeux paralympiques d'été s'ouvrent aujourd'hui à Rio de Janeiro au Brésil avec une cérémonie au stade Maracana. Le Niger est représenté par deux athlètes, à savoir Ibrahim Dayabou pour le saut en longueur 100 mètres homme et Balkissa Mamadou au lancer de disque. Le président de la Fédération nigérienne du sport paralympique, Ousmane Harouna, nous expliquera ce que c'est les Jeux paralympiques. Avant ça, nous ferons un tour à Tilaberi pour parler du festival Soukabe. Nous allons aussi parler de paix. Et pour cela, nous irons en Allemagne où s'est ouvert dimanche dernier le premier sommet mondial des faiseurs de paix. Ce sommet réunit 30 personnalités nations différentes pour un échange d'expériences. Objectif renforcer leurs actions en faveur de la paix sur le terrain. Un mot d'abord sur la situation phytosanitaire telle que présentée par le bulletin phytosanitaire général euh, au mois, à la fin de ce mois d'août 2016. il est noté que des actions des ravageurs des cultures euh, ont été, sont notées un peu partout dans les différentes régions. La Direction générale de la protection des végétaux essaie de contenir la situation. Adam Adamati, Asman China nous, fait le, nous font le point sur euh, la situation phytosanitaire du mois d'août. À la fin du mois d'août 2016, la situation phytosanitaire au Niger a été marquée par les actions des ravageurs de cultures dans les différentes régions. Ainsi, à Tawa, il est noté la persistance des attaques des sauteriaux, notamment dans le département de Tintabraden, où 2500 hectares de mille ont été touchés. Les traitements ont couvert seulement 335 hectares. À Difa, il a été signalé la persistance des attaques de sauteriaux sur 600 hectares de mille au stade de floraison au niveau des communes de Difa, Chetmari et Guesquerou. Les traitements ont couvert 535 hectares Dans la région d'Agadez, précisément à Tirozérine. Il est signalé des attaques de trips des insectes sur 190 hectares d'oignons. 170 hectares ont été traités. Dans le département de Madarumfa, région de Maradi, la situation était caractérisée par la persistance des attaques d'insectes floricoles sur 529 hectares de 500 hectares étaient traités. À Wallam, région de la situation est marquée par la persistance des attaques de sauteriaux sur 1050 hectares de mil et sorgho. Les traitements qui se poursuivent ont couvert 235 hectares seulement. La situation phytosanitaire dans la ville de Zender a été marquée par des attaques d'insectes floricoles sur 110 hectares de nibé au stade de floraison dans les arrondissements 1, 3 et 4. Les 110 hectares ont été traités. Le département de Belbégie est la zone la plus affectée par la persistance des attaques des sauterieux sur 1500 hectares de mille au stade de Montaison et Piezon au nord et à l'ouest de la commune de Belbégie. Seuls 700 hectares étaient traités. À noter aussi la persistance des sauterieux qui sont sous surveillance dans les friches en dessèchement. Dans la région de Niamey, 509 hectares de mille infectés par des insectes floricoles ont été traités. Voilà, c'était là le point sur la situation phytosanitaire en cette période hivernale. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX menace d'aller en grève à partir de demain. Cette grève va consister en la suspension des activités académiques dans toutes les universités publiques du Niger. Le SNEX entend ainsi exiger du gouvernement le paiement immédiat de tous les arriérés des salaires et des primes de recherche. Les explications de Bakasso Sahabi, le secrétaire général du Bureau exécutif national. On va en grève parce qu'on a un problème. Ce problème, c'est surtout le problème d'arrivée de salaires et des primes de recherche. Voilà, c'est sur ces points-là qu'on veut aller en grève tant que c'est pas réglé. Arrivée de salaire Combien d'arriérés de salaires Bon, ce n'est pas uniforme, je dirais, parce que par exemple, quand vous prenez Zander, ils ont jusqu'à 4 mois d'arrivée, Maradi, 2 mois d'arrivée de salaire. On en termes de primes de recherche, euh, ça aussi, ça varie. Ils ans jusqu'à trois trimestres, puisque c'est trimestriel. Maradi et Tawa, deux trimestres, deux trimestres. Niamey, c'est vrai que l'échec déjà est fait. Donc, euh, pour le mois-là, c'est déjà OK. L'échec est fait, c'est ce que je viens d'avoir comme information. Donc, il n'y a pas d'arriéré à Niamey jusqu'ici. Arrivée du salaire, jusqu'à deux, trois, quatre mois. Qu'est-ce qui explique cette situation Bon, euh, L'explication qu'on peut donner ici, c'est en fait, il y a beaucoup de paramètres qui sont mis en jeu. C'est surtout les retards, les blocages des subventions. Encore, il y a les problèmes aussi d'insuffisance, n'est-ce pas, des subventions même en tant que telles. J'ai changé, par exemple, quand vous prenez Zander, à un moment donné, euh, par exemple, la subvention qu'ils gagnent pour le trimestre, ça ne peut leur permettre de payer que deux mois. Alors que c'est pour les trois mois que, normalement. Ça veut dire qu'on n'est pas allé au au montant réel. Mais, mais quexplique t un peu les déphasages entre les régions Niamey n'a pas de par exemple, Zender 4, Tawa, Maradi, etc. Qu'est-ce qu'il explique cela Bon, ici, euh, bon, je rappelle que, par exemple, D'abord, ces universités, en fait, elles ne sont pas régies par les mêmes. Par exemple, Niamey, par exemple, tous les textes sont là. Le conseil de, conseil d'université est mis en place. Ils, ont, ils, ont, ils ont les textes. Et d'ailleurs, la lutte qu'on est en train de mener, c'est que ces autres universités qui sont créées, les sept autres-là, que chacune ait un texte harmonisé à l'image de celui de Niamey d'abord. Après, on verra comment on peut euh, peut-être les choses. Donc il y a le problème de donc d'abord de gouvernance qui s'impose. Il y a aussi le problème des subventions, comme je vous le disais tantôt. Et ces universités sont en train de grandir, donc en fait les budgets ou bien les subventions qui sont alliées à ces universités doivent suivre. Et si ça ne suit pas, ouais, c'est que ça fait, ça, ça crée déjà un désfasage. Quand vous parlez de gouvernance, vous faites euh, allusion à quoi Quand je parle de gouvernance, en fait chaque université normalement doit être euh, en fait cadrée par le conseil de l'université qui doit définir un peu le budget, qui doit définir les priorités, ainsi de suite. Tout ça coiffé par un recteur qui est là, et ou bien ses agents qui doivent s'atteler à ce que tout cela soit appliqué. Et donc, maintenant, si ces instances-là ne sont pas mises en place, ouais, souvent il y a des débordements et souvent ça amène des petits problèmes financiers. Et c'est le cas des universités de l'intérieur du pays Bon, certaines, c'est sûr, certaines. Lesquelles Bon, je ne le dis pas ici, mais je sais qu'il y a certaines, je sais qu'il y a ce genre de problème. Alors, quand vous prenez 4 mois d'arrêt de salaire pour un enseignant, c'est pas facile. Alors, comment vivent ces enseignants, vos militants Vraiment, ils vivent difficilement. Difficilement, je dirais. Moi, ça m'empêche même de dormir quand je me réveille et que je me rends compte qu'il y a des camarades qui ont jusqu'à 4 mois d'arrêt de salaire. Vraiment, je, salue leur courage. Je salue de leur courage, sincèrement. Ils vivent difficilement. Vous voyez, tu es dans, une maison de location, il y a ta famille que tu dois prendre en charge, il y a les déplacements. J'imagine même comment ils dispensaient leur cours. J'imagine. Vous voyez ce que ça fait. Mais avec tout ça, on a fait des démarches pour trouver des solutions jusqu'ici. Vraiment, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a déposé ces préavis de grève. C'est parce que vraiment, on a fait tout, on a fait tout. Que, voilà, ça n'a pas donné n'a pas le choix. vous avez parlé d'arrêt des salaires, vous, parlez aussi de primes de recherche. Qu'est-ce que ça, veut dire et en quoi est-ce que c'est aussi important que les arrêts de salaires Oui, je parle de primes de recherche. Vous savez, quand on parle d'enseignant-chercheur, ça ne se limite pas seulement à l'enseignement. Il doit faire des recherches pour pouvoir garantir sa carrière, sa vie. il y a des grades, vous le savez très bien. Assistant maître, assistant maître de conférence. Ces primes-là sont données pour que ces camarades-là puissent quand même s'investir dans les recherches aussi, pour pouvoir faire des publications et postuler au CAMES pour pouvoir avoir les grades Et ça, ça manque dans, dans quelle université C'est toutes les universités Quelle est la situation par université, par exemple mais c'est ça, j'ai dit, par exemple, à ils ont jusqu'à trois mois, de, trois trimestres derrière de prime de recherche voyez c'est que ça fait. Ça veut dire que <laughs> c'est l'enseignement seulement. Et, mais ça, c'est ça, c'est ce qu'on a souligné ici. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ces universités-là. Les infrastructures ne les suivent pas. Il faut qu'il y ait des cadres. S'il faut aller chercher une salle dans un lycée ou bien dans une, je sais pas, en Pour le moment, la motivation principale, mhm. c'est les arriérés et les primes de recherche. Vous avez rencontré le gouvernement On a rencontré les ministres de l'enseignement supérieur. La dernière fois, c'était le premier. Et on a échangé. Il y avait une promesse. Peut-être c'est ça qui commence à donner une promesse. Mais c'est bon, mais c'est pas arrivé comme on a dit. Sur quatre mois, si on promet deux mois, bon, nous, dans tous les cas, le préavis est, clair. Hein. Il y a une promesse ferme, mais la grève va continuer quand même, va débuter. On attend toujours. D'ici, d'ici ce soir, peut-être il y aura un miracle. Sur le plan infrastructure, comment fonctionnent ces universités, Zender, Tawao, etc., etc. Bon, c'est les trois autres. Quand même, il y a un minimum qui est fait, mais c'est pas suffisant. Quand je prends Zander, quand je prends Maradi, quand je prends Taha, il y a quelques infrastructures, mais c'est pas suffisant. Le cadre n'y est pas vraiment jusqu'ici. Il y a toujours des, besoins en salle, n'est-ce pas, en bureau pour les, parce qu'il faut avoir un bureau aussi pour s'asseoir travailler pour les, pour les camarades. Maintenant, pour les quatre autres, bon, elles sont toutes récentes, je comprends bien, mais il faut qu'il y ait un, programme, un plan de développement de ces universités-là. Parce qu'il ne faut pas naviguer à vide il faut faire des plans, d'investissement. C'est pour cela d'ailleurs on a souligné euh, la dernière fois la loi de programmation qui essaie de résoudre un peu, qui peut, qui peut résoudre un peu ces aspects-là. Donc au bout de telle année, qu'est-ce qu'il faut avoir comme infrastructure Au bout de telle année, qu'est-ce qu'il faut avoir comme enseignant Puisqu'il faut avoir des enseignants aussi. Peut-on dire que c'est des universités de nom Non, elles font, elles font, elles font, déjà leur preuve hein. Elles font déjà leurs preuve Je dirais pas que c'est des universités de nom, mais ce que c'est, si on prend pas garde, c'est que ça risque de devenir de gros lycées c'est ça que je n'aime pas. On ne le souhaite pas, sincèrement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Par rapport à tout ça, il faut quand même des réflexions conséquentes, n'est-ce pas Et voir euh, les voies et moyens qu'il faut emprunter pour pouvoir, n'est-ce pas, à long terme, avoir des universités. Euh, par exemple, les quatre dernières, là, c'est des pôles d'excellence qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire que quand tu veux parler d'énergie renouvelable, tu dois aller par exemple à Agadez. S'il faut parler d'environnement, je crois que c'est DIFA, euh, agroalimentaire, c'est Tilaberi, bon, ainsi de suite. Mais les autres, c'est le, même plan que l'université de Niamey, donc les facultés des lettres, facultés des sciences, ainsi de suite. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait des réflexions. Il faut aussi que chacun remplisse ses engagements que ce soit au niveau donc de, nos autorités, et mais aussi au niveau des quand même euh, euh, qu'il y ait une bonne gouvernance surtout, parce que l'État a droit aussi à suivre ce qui se passe. Il investit, il faut quand même qu'il contrôle. Donc c'est cela parfois on a souligné un certain nombre d'aspects par rapport à ça. Quand vous discutez avec ces autorités, vous avez l'impression qu'elles tiennent vraiment compte de l'enseignement supérieur Bon, oui, oui, oui. Je crois qu'il y a une bonne volonté. Mais souvent, on nous dit que souvent il y a problème d'argent, il y a problème ceci. Mais quand même, il y a une certaine bonne volonté, on pense. La grève va débuter demain. C'est pour combien de jours Bon, euh, le préavis de grève, euh, comme je le disais, il est clair. Donc, euh, il faut quand même que ces points-là soient réglés. Si ça se règle aujourd'hui même, ou bien demain, donc euh, on arrête tout, on reprend, dis-moi si je vais dire. Quand on fait une petite projection dans le passé, le SNAC, c'est un syndicat très incisif, très apte à répondre. On sent une certaine différence. Qu'est-ce qui explique cela On sent une certaine dans la revendication, vous-même vous avez dit que c'est parce que vous êtes acculé finalement que vous êtes en grève. Justement, justement, c'est le dernier recours. Nous, on a toujours donné place à la négociation. C'est-à-dire, comme je le disais, par exemple, depuis même, on était en train de faire des va-et-vient, on négociait, on euh, C'est le dernier recours. La grève à notre niveau, c'est le dernier recours, sincèrement. On ne voulait pas, on ne, on ne le souhaite d'ailleurs pas, parce que n'est pas de notre habitude. Vous le savez, ça fait combien de temps que... Voilà. Un dernier mot sur la reprise du, des cours. Est-ce qu'elle est effective La reprise, euh, bon, en fait, vous savez, euh, il y a d'autres universités déjà qui ont fini l'année. Par exemple, quand je prends Agadez, où l'effectif est réduit, donc euh, ils ont fini, ils vont, vont faire la rentrée académique 2016-2017, les 15. Maintenant, pour d'autres, c'est de finaliser ce qui a été commencé. Et là, il y a d'autres qui, par exemple, l'université de Niamey Officiellement, c'était le, premier. Il y a eu plusieurs le premier. D'autres, c'est les cinq. ainsi de suite. On tente à finaliser ce qu'on a commencé. Voilà, le secrétaire général du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, qui, Monsieur Bakassou Sahabi, qui explique les raisons pour lesquelles le SNEX menace d'aller en grève demain. Le personnel de la ville de Niamey s'est réuni ce matin à l'hôtel de ville en assemblée générale. Cette assemblée générale a regroupé trois syndicats, dont le syndicat national des agents des municipalités, le syndicat des agents des collectivités territoriales, SACOTEN, et le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Niger, trentaine. Une déclaration a sanctionné l'assemblée générale et elle est relative aux trois mois d'arrivée de salaire à un projet de rétrocession de la maison des jeunes euh, au ministère de la Renaissance culturelle. À cette rencontre, notre reporter Alassane Kouzimamadou s'est entretenu avec Hassan Diawando, le coordinateur du syndicat des agents de municipalité. Par rapport à la situation de salaire, franchement, euh, nous sommes aujourd'hui au troisième mois, enfin au quatrième mois sans salaire, ce qui nous a motivé aujourd'hui d'appeler l'ensemble des travailleurs de, la ville de Niamey à être ici au niveau de la ville de Niamey pour faire un sting, pour montrer notre mécontentement, exiger au moins le trois mois de salaire. Dieu merci, les personnes nous avons, nous, nous ont entendus. Les gens sont venus en masse pour y répondre. On a profité de cela pour euh, informer la base de ce qui est en train de se passer au niveau euh, de la gestion même de la ville de Niamey. De quoi s'agit-il euh, Nous avons attiré l'attention des, autorités au plus faux sommet par rapport au salaire que franchement il faut qu'ils s'y mettent davantage. On a même interpellé le président de la République pour qu'il intervienne, pour que nous aussi, comme les autres fonctionnaires, pour que cette injustice criarde cesse au niveau du paiement des agents de l'État. Pourquoi vous parlez d'injustice Est-ce qu'il y a un certain nombre de, groupes d'agents qui sont payés euh, Justement, si je dis injustice, nous, sommes des, correspondants du Trésor. Ça veut dire qu'il y a des correspondants du Trésor qui n'ont pas trois mois d'arrêté. Pourquoi nous, aujourd'hui, à la mairie, on a trois mois d'arrêt de salaire Nous avons de l'argent qui loge au niveau du Trésor. C'est des impôts rétrocédés. C'est dans cet argent là qu'on qu'on devrait à chaque mois programmer le salaire des collectivités au niveau de la ville, de la région de Niamey. Quelles sont les raisons qu'on avance pour vous, pour vous convaincre que euh, ça ne va pas Tu les disent que la, trésorerie nationale est, rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent dedans et que nous ne sommes pas prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la trésorerie nationale, elle, est nationale. or, le salaire que nous nous cherchons, c'est juste pour la région de Niamey, c'est pour les collectivités du travail de la mairie de Niamey c'est pourquoi ils ont dit qu'il y a des prioritaires qui sont devant nous par rapport à la situation de l'État. Voilà le problème euh, euh, que nous confrontons au niveau euh, du trésorier de qu'avez-vous répondu on a, répondu, franchement, que nous ne sommes pas contre ce qu'ils ont dit, mais néanmoins, aujourd'hui, par rapport au problème que nous vivons, on, est devenu des sourds. Aujourd'hui, on a trois mois d'arrivée, on est, rentré au quatrième mois. Est-ce qu'aujourd'hui, un père de famille qui n'arrive pas à payer son électricité, son eau, peut attendre raison par rapport à d'autres situations. Non. Alors justement, vos militants vous font part de leur souffrance. Globalement, ça tourne autour de quoi exactement Évidemment, nos militants sont chassés dans leur maison de loyer. Aujourd'hui, le militant n'arrive pas à, joindre le deux bouts. Il y a d'autres qui ne mangent même pas à leur faim. Ils mangent peut-être une fois par jour. C'est une situation extrêmement euh, euh, euh, déplorable. Alors, chose rare, ce matin, on a vu que presque environ trois syndicats se sont euh, mobilisés, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, d'habitude, nous avons toujours cherché à être ensemble. Dieu merci. Nous allons commencer à être ensemble, c'est déjà bon. Pour au moins certaines causes, il faut que les syndicats se mettent ensemble pour avoir la force et d'exiger à ce qu'on revendique soit une réalité. Si jamais vous vous laissez diviser entre vous-même syndicats, vous ne s'entendez pas, vous n'aurez jamais, euh, euh, vous n'aurez jamais euh, raison sur les autorités. Dieu merci aujourd'hui si on est en collectif, bien que c'est pas signé, c'est un beau signe. Nous sommes trois syndicats, on a décidé de faire une déclaration, on a décidé de tenir ce sitting-là. Et franchement, ça a reçu. On a vu qu'après votre déclaration, vous avez eu un tête-à-tête avec euh, le maire central euh, Hassan Seydou. Est-ce que, euh, au sortir de cette rencontre, vous êtes, vous êtes confiant Bon, en réalité, on n'a on a rien eu de, de, de, comment dirais-je, de confirmation par rapport au salaire. Hein. Lui-même, il est parti chercher, il n'a pas eu. Il dit qu'en tout cas, ici demain, le, le, gouverneur et lui, euh, ils ont pris un engagement parce qu'ils ont demandé en tout cas un appui, un appui au plus haut sommet pour que euh, qu'ils décantent cette situation. Ils disent que en tout cas d'ici demain, si la personne à qui ils ont demandé de les appuyer, s'il n'a rien fait, ils vont demander une audience au niveau du président de la République pour décanter cette situation. Voilà ce qu'il nous a dit. Un autre point qui a été soulevé, c'est un projet de rétrocession du, centre culturel Diado Sekou. De quoi s'agit-il exactement Bon, le problème de Diado Sekou, c'est un problème euh, euh, qui est aussi euh, récurrent et extrêmement important pour nous, les travailleurs de collectivité. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un un joyeux qui appartient aux collectivités pendant plus, presque des, décennies. Aujourd'hui, un bon matin, un ministre écrit, euh, le ministre de la Renaissance culturelle, il dit qu'il va euh, essayer de retirer pour qu'il amène ça au niveau de, de la culture. Bon, nous, en tout cas, euh, étant travailleurs de la mairie, étant syndicalistes, nous, nous, nous ces comportements de ce ministre. Il n'a aucun droit de retirer cette maison de culture qui appartient aux collectivités territoriales. C'est une perte pour, la, pour, pour les agences Une perte puisque ça fait rentrer de l'argent chaque mois, au moins pas moins de 2 millions par mois. Aujourd'hui, nous avons des difficultés de trésorerie, on a des difficultés de l'argent liquide pour payer des gens. Et dès là encore, il est en train de nous faire du mal. Ça veut dire que les gens n'ont pas pitié de, de, la mairie, ils veulent nous enterrer vivants. C'est pourquoi on a mobilisé encore on a plutôt on a informé la base de ce qui est en train de se passer au niveau aussi de Diarosek. Et c'est pourquoi on a dit nous rejetons en bloc ce genre d'attitude et, et, nous disons que on ne peut pas accepter de comme point pour qu'on nous retire cette maison de jeunes qui nous rapporte beaucoup plus. Et d'ailleurs, on a même rappelé au personnel qu'il y a de cela 5 ans, il y a une autorité administratif qui a amené le titre foncier de cette, maison-là pour faire une garantie. Il a pris à peu près 5 milliards pour qu'il paye des matériels roulants au niveau du garage municipal. En moins d'un an, il a remboursé, il a repris notre titre foncier. S'il n'y avait pas ce titre foncier, vous croyez qu'on aura de, de, de, matériel roulant au, niveau du garage C'est pas possible. C'est pourquoi nous disons haut et hors que franchement, on peut aller jusqu'au bout par rapport à cette situation de Djaroussekou. On ne peut pas accepter et il n'a qu'à cesser de, de, de, de nous provoquer. Parce que pour nous, c'est une provocation, ça. Alors, on avait entendu que c'est ce soir que cette rétrocession de Djadou Sekou aura, lieu et que le maire central est invité par le ministre de la Renaissance culturelle. Est-ce que lorsque vous avez eu le tête-à-tête avec euh, le maire central, vous avez réitéré votre, votre, votre opposition à cela On a évoqué ce problème avec le maire central tout de suite dans le bureau du deuxième adjoint du maire. On lui a dit, mais on a appris que c'est ce soir que vous allez partir rétrocéder euh, euh, la maison de jeunes Sekou. Nous, on a fait une déclaration, on a, demandé à ceux qui ne partez pas là-bas pour que vous faisiez, en tout cas, euh, pour que vous preniez pas à cette mascarade. Il nous a juré que lui, il n'ira pas. Il n'ira pas, il n'ira pas. Et d'ailleurs même, il a fait une lettre au secrétaire général du gouvernement pour appuyer avec le titre foncier pour faire savoir exactement que la maison de juin là, appartient à la mairie et non euh, au ministère de la Culture. Ça veut dire qu'il y a un blackout. Il n'ira pas, il n'ira pas. Voilà, c'était là le monsieur Hassan Djawendo, le, le coordinateur du syndicat des agents des municipalités. Euh, ces ce syndicat et bien d'autres étaient ce matin en Assemblée générale pour discuter de leurs préoccupations. Voilà, à 18h38 minutes, euh, nous allons à Tilaberi, Tilaberi où se tient actuellement le festival Soukabe, et, qui prendra d'ailleurs fin euh, cet après-midi, ce soir j'allais dire. Et depuis le lancement de ce festival, tous les après-midi de 16h à 19h, la Maison des Jeunes accueille des festivaliers et des spectateurs, en majorité des enfants. Le lancement de ce Soukabe a eu lieu, c'est la quatrième édition, a eu lieu samedi dernier. Nous avons notre envoyé spécial à Tilabiri. Il s'agit de Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Oui, Hamadou, bonsoir. Alors vous êtes sur place. Euh, décrivez-nous l'ambiance pour ce soir. Euh, oui, l'ambiance euh, ici à la maison des jeunes de la culture régionale de Tilaberi, euh, eh bien, cette maison est actuellement pleine à craquer, elle est pleine comme un œuf. Le public de la capitale du fleuve est massivement sorti pour assister à la clôture de la 14e édition du festival Soukabe, débuté, vous l'avez rappelé, le samedi 3 septembre dernier. Ce qu'il faut peut-être retenir, euh, c'est que ce festival a eu le mérite d'avoir regroupé 190 jeunes issus des huit régions du Niger et de certains pays de la sous-région ouest africaine tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Togo. Alors, quel est le bilan que l'on peut dresser à quelques heures de la clôture de ce festival en termes de bilan, ce qu'il faut aussi euh, peut-être retenir, c'est que pendant les cinq jours de compétition, les 190 jeunes ont rivalisé, ont rivalisé d'abord de talent et de fair play, notamment en danse traditionnelle et en chorégraphie. Selon le promoteur du festival Soukabe Soumana l'objectif du festival est de relever le niveau ou encore le talent de nos jeunes enfants, le brassage des cultures ou encore le renfermissement de l'unité nationale. La clôture de cette 14e édition du festival Soukabe va être, va être marquée par la remise des prix euh, et des, et cadeaux aux différents lauréats. Il faut aussi préciser que les cinq jours de compétition ont été euh, largement agrémentés par les prestations de l'humoriste Ivoro Burkinabé, plus connu sous le nom de Sciatica. Voilà donc merci pour ce point et nous nous, nous, retrouverons après. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi à quelques instants notre envoi spécial à Tilabiri, Tilabiri où se tient actuellement le festival Soukabe, mais qui va clôturer dans quelques heures. La suite de cette édition pour parler, nous allons en Allemagne, où, ce, ou plus précisément au village de Parez, où s'est ouvert euh, dimanche dernier le premier sommet des faiseurs de paix. La Fondation Hirandel qui gère depuis, euh, qui gère plusieurs projets, dont votre studio, le studio Kalango au Niger, y est représenté. Cette initiative d'une organisation allemande, Culture Coins, réunit 30 personnalités de nationalités différentes pour un échange d'expériences pour apprendre les uns des autres et renforcer leurs actions en faveur de la paix sur le terrain. Alors le point sur ce, sur ce sommet, dans cette correspondance euh, particulière de Jean-Luc Moutmassi. L'imam Achafa et le pasteur James, qui étaient autrefois ennemis au Nigeria, animent aujourd'hui ensemble un centre interconfessionnel de médiation. Tous deux font partie des Peace Builders, ces faiseurs de paix que l'organisation Culture Counts réunit pour la première fois en Allemagne. Pourquoi ce sommet Les explications de Michael Gleich, initiateur du projet. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un espace pour les faiseurs de paix entre eux. L'intention est de créer une atmosphère où ils peuvent travailler ensemble et formuler une voie pour la société civique au niveau global ensemble. Parmi les faiseurs de paix, Ousmane Diadier Touré, journaliste de Studio Tamani, c'est un projet de la Fondation Hirondelle au Mali. Comme chaque participant, il a apporté un objet qui symbolise la paix, et il a choisi un vêtement. C'était le tout premier t-shirt des sofas de la République avec le drapeau du Mali et le point avec écrit ça suffit. Sofa, c'est un mot manding qui veut dire le père du cheval, le propriétaire du cheval, mais qui désigne aussi les guerriers. Donc nous, on s'est auto-désigné comme guerrier de la conscience des Maliens. Et après une retraite au village de Paretz, ces faiseurs de paix se rendront ce jeudi à Berlin pour un échange avec la diplomatie allemande. Ils feront entendre leur voix sur le thème de la prévention des conflits. À Paretz, Jean-Luc Moutoussami, Studio Kalangou. Oui, Jean-Luc Moutoussami s'est aussi entretenu avec euh, l'un des principaux organisateurs de ce sommet de la paix. Il s'agit du directeur de Culture Queens, euh, donc, euh, que je vous propose de suivre. Tilliam Wertz au micro de Jean-Luc Moutoussami. Tilman Wertz, bonjour. Bonjour. Le sommet des Peace Builders, des faiseurs de paix, a commencé ici en Allemagne. Qu'est-ce qu'un faiseur de paix Un faiseur de paix, c'est une personne qui chaque jour travaille pour la paix, qui euh, rassemble des personnes qui travaillent sur la réconciliation des ennemis, qui peut-être aussi aide à des gens de, faire faire leur vie, par exemple dans un projet d'agriculture ou euh, dans une école ou peut-être dans leur voisinage. Il s'agit donc d'un processus. C'est un processus qui est en effet très long. C'est pas quelque chose qui se fait avec euh, des discours euh, seulement ou avec une seule action. C'est quelque chose qui peut traîner pendant des ans. Plusieurs pays sont représentés ici. Comment s'est faite la sélection de ces faiseurs de paix pour une partie, euh, ce sont des faiseurs de paix que nous, comme journalistes, avons rencontrés pendant les dernières dix années partout dans le monde. Mais on a aussi, bien sûr, demandé à des chercheurs, euh, surtout en Allemagne, euh, qui, qui connaissent le terrain, qui nous ont donné des recommandations. Et après, a, on a fait une sélection. on a aussi euh, respecter euh, la balance des sexes. On a respecté bien sûr aussi une distribution géographique. Euh, mais voilà, c'était comme ça. Quelques exemples de personnes, de pays, de problématiques qui seront entendues pendant ces quelques jours ici en Allemagne par exemple, on a euh, deux personnages très intéressants de Nigeria, c'est euh, Pasteur James et Imam Ishafa, qui euh, avant ont lutté dans des milices un contre l'autre, et aujourd'hui ils sont des leaders spirituels, ils travaillent ensemble pour réconcilier des communautés musulmanes musulmans et chrétiens dans le centre de Nigeria. Un autre exemple, on a euh, une personne qui a été le chef des services secrets euh, euh, en Liban d'une milice euh, pendant la guerre civile, mais après la guerre civile, il a vu que il faut entrer d'autres chemins et maintenant il travaille dans les écoles pour pour parler des enfants et des jeunes personnes, euh, ne on peut pas résoudre les conflits avec des armes. On a une Nava Sonnenschein d'Israël qui a une School for Peace, une école de paix, où elle organise des rencontres entre des Juifs et des Palestiniens, qui dans la vie normale ils se ils se rencontrent jamais. Donc on a aussi ici, sur un même lieu, des personnes qui sont de pays qui se sont affrontés. Voilà, entre Liban et Israël, il y a une guerre et euh, on nous a même demandé de pas montrer les deux personnages sur une seule photo quand on fait euh, quand on publie un article. Tilman Wirtz, quel est votre regard sur ces faiseurs de paix Qu'est-ce qui les motive euh, Je crois que ce sont des personnes qui ont une réflexion profonde sur le destin de leur pays et qu'ils euh, sont conscients qu'on ne peut pas laisser le destin de leur pays à des politiciens et des généraux, qu'il faut vraiment un appui de la société civile, que chacun peut faire quelque chose. Et beaucoup de fois, ce sont aussi euh, des, gens à leurs alentours qui ont du mal et juste pour l'impulse de vouloir aider, ils, ont, ils sont montés des initiatives et des projets. Alors dans la pratique, Tillman Wertz, comment se déroule ce sommet Comment se déroulent les activités les premiers trois jours, on passe ici dans un petit village euh, à la campagne et euh, on veut justement avoir euh, cet esprit de construire ici une communauté des faiseurs de paix qui ne sont pas observés, qui sont pas par, par les médias ou par trop des donateurs, qu'ils ont vraiment entre eux et les deux derniers jours, on va à Berlin euh, pour connaître, euh, pour avoir des rencontres avec des parlementaires et aussi avec euh, le ministère des Relations extérieures. On a une réception là-bas pour présenter au, ministère, au ministère les propos des faiseurs de paix, ce que l'Allemagne peut faire pour appuyer la société civile dans des régions de crise. Vous parlez de Berlin et vous avez parlé de ce village. On est donc à Paretz. Quelques mots sur Paretz, sur ce lieu particulier C'est un lieu très charmant, très petit. Et toute la communauté de Paretz, ce ne sont pas beaucoup de gens, c'est peut-être 2000 personnes qui habitent ici, ont contribué à reconstruire les maisons pour euh, euh, recevoir des, des gens qui viennent ici à l'Académie de Paretz pour des rencontres. Alors, euh, on a ici aussi une fleuve. On peut se baigner de la fleuve, on peut faire des promenades, on a des chevaux. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment euh, une ambiance rurale, mais à 45 minutes de Berlin, de la capitale. Donc Paretz, Berlin, ensuite chacun rentrera chez lui, chez elle. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet on veut que les faiseurs de paix aient du temps pour récupérer des forces, pour s'appuyer mutuellement, pour se donner du conseil mutuellement. On n'a pas ici des discours ou des experts qui donnent euh, des workshops. on espère que, on, pense qu'entre eux, il y a toujours un expert pour des différents voilà, vous venez de suivre Tillman Vert, directeur de Culture, Culture Coins, euh, invité de Jean-Luc Moutoussami. Euh, Tilman wertz est l'un des organisateurs du premier sommet mondial des faiseurs de la paix, la Fondation Hirondelle qui gère plusieurs projets médias dont votre studio, le studio Kalango au Niger, y est représenté. En sport, un mois après les Jeux olympiques, c'est au tour des athlètes handisport de tous les pays de s'affronter pour décrocher de nouvelles médailles. Les 15e Jeux paralympiques d'été, c'est ça l'appellation, s'ouvrent aujourd'hui, 7 euh, septembre, à Rio de Janeiro, au Brésil, avec une cérémonie au stade Maracana. Plus de 4000 athlètes repartis dans 23 disciplines sportives et 528 épreuves. Euh, notre pays, le Niger, est représenté par deux athlètes, à savoir Ibrahim Dayabou pour le saut en longueur, 100 mètres homme, et Balkissa Mamadou au lancer du disque. C'est quoi les Jeux paralympiques C'est l'une des questions que notre reporter Taran Foudé Ahmed a posée au président de la Fédération nigérienne du sport paralympique. Ousmane haruna répond. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les Jeux paralympiques euh, Les Jeux paralympiques ou sport paralympique, c'est euh, le sport pratiqué par les personnes handicapées, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire les différentes catégories de handicap, que ce soit les déficients physiques, les déficients visuels, les déficients intellectuels, etc. Il y a d'autres catégories qui n'ont pas encore été détectées au Niger. Et au niveau du comité paralympique international qui gère le sport paralympique ou le sport pour handicapés, on peut compter une vingtaine de sport. Et donc euh, le, le, comité national paralympique du Niger œuvre pour le rayonnement de ce sport pour personnes handicapées à travers la fédération qui existe depuis le 30 octobre 1999. Le Niger se prépare pour participer aux Jeux paralympiques. Euh, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire dans quel type de sport le Niger va compétir Effectivement, euh, le Niger participera aux Jeux paralympiques. je souligne bien que c'est les Jeux paralympiques parce que les Olympiques viennent de finir. Aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro du 7 au 18 septembre 2016. Et euh, nous n'avons été euh, choisis que pour euh, des disciplines athlétiques, c'est-à-dire euh, la vitesse 100 mètres, le son en longueur et le lancer de disque. Euh, c'est vrai, euh, d'autres pays de la sous-région ont été même choisis pour la natation, la dynamophilie, euh, le judo pour les déficients visuels, mais nous, au niveau du Niger, nous n'avons que deux athlètes qui, qui, sont qualifiés pour ce jeu et le premier athlète va compétir dans deux disciplines athlétiques, la vitesse de 100 mètres et le, son en longueur. Et la deuxième, qui est une fille, elle, elle va compétir en lancer de disque. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui ces athlètes qui vont représenter le Niger euh, aux Jeux paralympiques euh, Je peux vous dire sans me tromper que ces athlètes ont un bon moral et ont vraiment euh, l'objectif de décrocher des médailles, disons. Et je peux vous dire que depuis le 29 juillet 2016, avec l'appui du ministère en charge de sport, le ministère de la Jeunesse et de Sport, qui est notre ministère de tutelle, ces athlètes sont mis au vert, ils sont internés au niveau du village chinois et s'entraînent régulièrement. Et les athlètes euh, nous rassurent, en tout cas qu'ils ont le moral euh, haut et euh, leur objectif c'est de nous ramener des médailles. Pouvez-vous nous faire euh, le point sur euh, le préparatif de nos athlètes, nos représentants à ce sujet Oui, en fait, euh, au niveau de la Fédération nigérienne de sport paralympique, la FENISFA, nous avons d'abord procédé à l'organisation d'un championnat national pour détecter des talents. À travers ce championnat, nous avons eu à détecter les meilleurs talents qui, à leur tour, ont été également sélectionnés pour que nous ayons les meilleurs. Euh, comme je l'ai souligné tantôt, il y a eu la mise au vert qui est intervenue le 29 euh, juillet et jusqu'au 29 euh, août, c'est-à-dire aujourd'hui. La mise au vert prend fin aujourd'hui et je vous dis que nos entraîneurs ont sollicité les compétences extérieures, c'est-à-dire de la Fédération valide d'athlétisme, qui nous ont beaucoup appuyé, des techniciens handisport euh, dont je souligne le directeur d'exploitation du stade général Saini Kounche, qui est un spécialiste du handisport, qui a été formé également au sport pour handicapés, qui nous a euh, accordé aussi son temps, sa compétence, son énergie pour vraiment euh, mettre ces athlètes dans de bonnes conditions vraiment atteindre les objectifs. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire comment se fait la détection des athlètes La détection de nos athlètes paralympiques se fait, comme j'oublie, à travers les regroupements sportifs. Euh, d'abord au niveau de nos ligues à l'intérieur du pays, nous avons une assise nationale et au niveau de nos ligues, en tout cas, ils nous disent qu'il y a vraiment un certain nombre d'athlètes qui font de bonnes performances. Et après, nos ligues euh, nous faisons un championnat national ou euh, une compétition. Et à travers cette compétition, en tout cas, euh, en tout cas, les meilleurs athlètes sont sélectionnés. Et pour participer à des compétitions internationales, nous faisons également un regroupement et à travers ce regroupement, les meilleurs des meilleurs sont sélectionnés. Donc c'est pour vous dire que nous, en tant que fédération faisant office de comité national paralympique, nous voudrons partir avec des meilleurs talents qui peuvent défendre et hisser plus haut les couleurs de notre pays, le Niger. Est-ce ici, au niveau de notre pays, nos représentants ont le moyen financier pour participer à ces Jeux Oui, euh, je vous ai parlé de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Jeunesse et du Sport. Ce ministère euh, a fait vraiment de son mieux et a eu à nous mettre en place un budget pour mettre euh, nos athlètes dans des conditions les meilleures. On va passer 23 jours dans un pays étranger avec une monnaie qui n'est pas comparable à la nôtre. Et euh, ce que nous avons, je crois, crois que est très, très, très insignifiant. Et en tout cas, nous avons aussi demandé la contribution de certains partenaires. Mais le problème qui se pose ici, bon nombre de partenaires pensent que maintenant les jeux sont finis. Ils ont vu AlphaGa venir avec des médailles, on l'a accueilli, maintenant il y a plus de jeux. Et je voudrais euh, profiter de votre média pour attirer l'attention de l'opinion euh, nationale et internationale que après les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympique. Donc que les partenaires, en tout cas, appuient la participation euh, de leur délégation paralympique ça serait une bonne chose et nous le souhaitons. Une fois de plus, Monsieur le Président, quel appel avez-vous à l'endroit de bonne volonté de ceux qui veulent aujourd'hui assister ces athlètes euh, L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des partenaires, c'est que qu'ils sachent que vraiment c'est des athlètes euh, qui ont vraiment l'intention de hisser plus haut les couleurs de notre pays et que comme les autres athlètes olympiques, ces athlètes aussi méritent beaucoup d'appui, beaucoup de soutien pour les galvaniser, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et ramener aussi des médailles. Et que euh, les partenaires, parce que euh, vraiment, euh, je sais que certains partenaires ou beaucoup de partenaires ont appuyé le comité olympique sportif, qui est un comité grand frère. Mais nous, nous sommes un comité petit frère, parce que le mouvement paralympique a commencé seulement dans les années 89. Nous souhaitons que ces gens comprennent qu'il il y a aussi le mouvement paralympique. Il y a aussi des athlètes paralympiques qui vont participer aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro et que le Niger en sortira grand dit si ces athlètes vont être soutenus et vraiment pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur le Président, là vous venez de lancer un appel aux partenaires. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du public nigérien euh, Le public nigérien, c'est vraiment euh, leur contribution. Euh, nous le souhaitons en termes de soutien, que ce soit par SMS, que ce soit sur les ondes. Hein. Il y a des émissions qui se passent dans les différents médias de la place, des organes de la presse. nous souhaitons que ces gens nous envoient des messages de soutien, de messages d'encouragement, parce que nous sommes leurs fils et nous allons les représenter à ces Jeux paralympiques. Et la communauté, effectivement, c'est les parents, amis et sympathisants des personnes handicapées. Ils peuvent également euh, venir au siège du handisport, ici à la porte centrale du Palais du Sport, apporter leur contribution. Et vraiment, c'est le Niger qui sera grandi. Monsieur le Président, quel est votre souhait nos athlètes euh, Mon souhait vraiment, c'est que euh, AlphaGa nous serve de, modèle, c'est que nous ramenions nous également au niveau du sport paralympique les premières médailles paralympiques pour ce grand pays, le Niger. C'est vraiment ça mon grand souhait. Voilà, vous venez de suivre en seconde diffusion le président de la Fédération nigérienne du sport paralympique. Et c'est à l'occasion de l'ouverture euh, aujourd'hui même des 15e Jeux paralympiques euh, d'été et euh, là-bas à Rio de Janeiro. Voilà, c'est la fin de ce forum. Euh, on se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Merci de nous suivre.